cái nào đây dạ nhất là chỉnh nhất là nhất là nhất là như này Guys, sasa mo. Do may mga ginawa. Sasa mo. Mo pa na Ah, voilà nous avons appris sans grande surprise que nos parrainages ont été invalidés. Le contraire nous aurait étonné il y avait une volonté affichée dès le départ par Macky Sall de nous éliminer de la course. Mais je ne suis pas la seule parce que c'est aussi le moment pour moi d'exprimer ma pensée solidaire envers un candidat qui aurait dû être là avant tout le monde, s'appelle Ousmane Sonko. Donc, euh, dans cette lancée, je ne me faisais aucune illusion. Mais je voudrais tout d'abord remercier du fond du cœur tous les Sénégalais qui nous ont parrainés, à commencer par mes responsables de Mimi 2024 qui se sont tous battus comme des lions partout euh, au niveau du Sénégal, qui ont fait un parrainage de très bonne qualité. Je signale d'ailleurs que dès le début, on nous a volé tous les parrains de la région de Saint-Louis. Déjà, au départ. Lorsqu'un régime est décidé à faire cela, vous savez bien qu'il ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Le président Macky Sall, Macky tenait certainement à sa revanche contre le troisième mandat. Mais je peux vous réaffirmer, et je voudrais le dire au nom de tous mes responsables, que nous resterons déterminés et engagés pour que le changement se fasse dans ce pays-là il est important que plus jamais au Sénégal, plus jamais, on ne vive cette situation que nous avons connue, où on tire au sort vraiment, voilà, le prochain président du Sénégal, quasiment, après en avoir éliminé, voilà, un important, Ousmane Sonko, qui euh, aurait dû être là, injustement emprisonné, euh, malgré deux décisions de justice, on ne le laisse pas participer, donc moi-même, je ne suis pas étonné euh, de ce résultat-là, et je vais continuer avec mes camarades à nous battre. Et avec justement ce collectif vraiment des candidats spoliés. Parmi lesquels d'ailleurs des candidats qui ont été admis à, être, euh, à, être, à participer à l'élection présidentielle. Euh, Macky Sall ne peut pas me sortir du jeu politique. Ça, c'est une, une, vue de l'esprit à son niveau. C'est une illusion. Je serai toujours là. Que Dieu me prête vie et je continuerai à me battre pour la démocratie sénégalaise, pour que on, plus jamais, comme je l'ai dit, on ait ce système injuste qui condamne, qui emprisonne. C'est le moment aussi d'avoir une pensée pour les 2500 jeunes qui sont encore en prison, dont notre responsable de, voilà, Mimi 2024 du département de Tambacouda. Voilà dans le contexte dans lequel les, les, élections vont s'organiser. Lui-même, Macky quand il arrivait au pouvoir, il n'est pas passé par, par tout ça. Il n'est pas passé par tout ça. J'ai été son, euh, délégué national pour le parrainage au présidentiel et aux législatives, et on voudrait me faire croire que je ne sais pas collecter du parrainage. Après, on a été obligé de maracher une, une, région, voilà, de créer des doublons, de recréer des doublons. Mais évidemment, la volonté était que je ne participe pas, moi et d'autres, euh, y compris Ousmane Sonko. Mais ce n'est que partie remise. Ça, je peux prendre date avec, euh, avec le peuple sénégalais. Nous serons impliqués dans la campagne nous dirons ce que nous aurons à dire, Inch'Allah. Parce que, nous le devons, parce que nous le devons au peuple, au Vous n'écartez pas de soutenir un candidat on, verra, on en discutera. Mais à cette étape-ci, nous avons déjà 28 candidats qui ont fait un recours. Nous et parmi ces 28, il y a des candidats qui aujourd'hui ont pu passer le cap du parrainage. Est-ce que donc ce combat-là n'est pas perdu d'avance ouais, Rien n'est perdu en démocratie. Vous vous battez. Sinon, si on se battait juste pour nous-mêmes, on serait chez nous couché. Mais on se bat pour notre démocratie. Et ça, c'est complètement injuste. Ce système est injuste parce que même s'il faut un parrainage pour sélectionner les gens, mais il n'y a aucun pays où on tire les candidats au hasard. Ça n'existe pas. Par rapport à la région de Saint-Louis, qui a été euh, euh, arraché au premier tour, il a été dit que vous n'avez pas mentionné le nom de la région sur, sur fiche Que répondez-vous Mais vous savez, il y a, y a comment ils, vont, ils ont fait pour savoir au niveau du greffe que nous avions plus de 3000 et quelques parrains. Comment ils ont fait pour le savoir C'est parce que c'était bien mentionné. Tout cela, c'est de, la, de la tricherie pour éliminer certains candidats, dont moi. Voilà, j'imagine qu'on voulait me faire payer mon combat contre le troisième mandat, mais ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Le plus important, c'est de se battre pour que la démocratie sénégalaise revienne là où elle était, comme je l'ai dit. C'est très, très important. Mais si vous voyez ce qui se passe, ça c'est aussi pour ceux qui sont passés qu'ils sachent que si on a commencé à tricher maintenant, c'est pas pour s'arrêter après. Hein. Ça, il faut le savoir. Vous avez d'abord des centaines de milliers de Sénégalais euh, qui ne sont pas, qui ont leur carte d'électeur et qui ne vont pas voter. Qu'est-ce qu'on va en faire Qu'est-ce qu'on va en faire Mais bien sûr, c'est ce qui se prépare en amont et qui va se poursuivre. Vous ne l'ignorez pas comme ça euh, parce que, voilà, euh, vous voulez le faire parce que vous avez un, objectif précis, la continuité. Mais cette continuité-là ne se fera pas parce qu'on va continuer à mobiliser les Sénégalais, à mobiliser la jeunesse sénégalaise pour que nous allions vers des élections inclusives et transparentes. Et ce front des 28 candidats va continuer à se battre. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, Aminata Touré, je continuerai à me battre contre toutes les formes d'injustice que Macky Sall va imposer à ce pays-là. Moi qui vous parle, il m'a audité pendant trois mois. Et voilà, j'ai pris mes dispositions parce que c'est ce que je sais faire. Voilà. Euh, trois ans d'audit, on ne l'a jamais vu. Pendant que je faisais campagne électorale, même pour lui, on m'auditait. Donc euh, l'idée, c'était certainement même que je ne sois pas candidat avant l'heure. Donc tous les moyens ont été mis en œuvre pour que je ne participe pas à l'élection. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on continue, nous tous, à nous battre pour que cette démocratie qui a fait notre fierté, euh, vraiment continue à, s'épanouir. Donc, ça, c'est le message que je donne à Macky Sall. Si vous pensez me sortir du jeu politique, vous vous trompez. Vous, vous êtes parti. Macky Sall est déjà parti, lui, dans quatre semaines. Quatre semaines, on va commencer la campagne électorale. Nous, on continuera, en tout cas, moi, Aminato Touré, je demande à Dieu de me prêter vie pour continuer à me battre contre les injustices. La première des injustices, comme je l'ai dit, c'est qu'Ousmane Sonko aurait dû être là à vous parler. voilà. Donc, euh, vous avez tantôt dit que vous allez porter plainte contre parce que votre clé a été modifié. Alors, vous, êtes, Nous allons le faire, bien sûr que nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous ne allons pas nous en arrêter là. Hein, parce que nous sommes pour les, combats de principe. Vous ne pouvez pas venir prendre les clés des gens, les changer, etc. Avoir un résultat tout, tout fabriqué et penser que bon, on va aller s'asseoir. Moi, ça ne fait que vous motiver. Moi, ma personnalité, c'est que quand je dois vivre une injustice, je me bats avec le peuple sénégalais, avec la jeunesse sénégalaise. Et c'est le moment aussi maintenant de parler de, toutes les questions. La libération de ces jeunes et qu'on élucide aussi la mort de ces jeunes. On ne doit pas, voilà, passer pour perte et profit toutes ces questions-là. En tout cas, je voudrais vous aussi euh, vous féliciter, vous les journalistes, hein, parce que vous êtes là et vous êtes témoins aussi. Vous êtes des témoins de l'histoire du Sénégal, de toutes ces formes d'injustice voilà, dont souffre beaucoup de Sénégalais, dont les jeunes, voilà, les politiciens, comme je l'ai dit, Ousmane Sonko et, moi-même aujourd'hui. Mais cela ne m'étonne pas, parce que dans un combat, il faut accepter, il faut accepter les sacrifices. <laughs> Ousmane Sonko, il est en prison. Voilà, pas pour son propre plaisir, mais parce qu'il s'était un acteur politique. Si Macky Sall aujourd'hui décide de me retirer voilà, de la course, voilà, je l'accepte en continuant à me battre. Et je me battrai jusqu'au bout, tant qu'en tout cas,

liñu ñu tax a jóg suñu réew xéxal suñu démocratie té danañ ci continuer xéx mom moy dem dans 4 semaines mu bayé ñu réew waaye ñun inshallah allah ñaan yalla mu may ñu captain ba li nga xamné moy industrie ci réew bi ñu continuer diko xéx diko taxawal damay gëreum di sante sama responsable Mimi 2024 yépp sant suñu mandataire national suñu mandataire régionaux yi suñu responsable yi wax dëgg yalla ngàcce galam li ngeen def ci liggéey

waaye nag euh, dañuy jàpp ne lu yàlla dogal rek mooy li lañu koy ñaan mooy mu may ñu ñun ñëpp kàttan ñu continuer nag di xeex pour suñu démocratie taxaw pour élection yi ñu jëm bu doon élection yu jaar yoon suñu collectif bi nga xam ne vingt huit candidats lañ am na nañu ci jàll tey danañu continuer di xeex pour que parrain yi nga xam ne dañu koo sàcc wax dëgg yàlla ñu delloo ñu ko parce que amul beneen baat boo ko mën a tuddee ndax ñu dugal suñu clé dem ca secrétariat wu greffe ba ñu compté teg ci machine bi ñu ne waaw Saint-Louis am ngeen ci nangami parrain ñu ëlbateku dal di ko foqati voilà ba ñu demee di ubbi ñu ne gisuñu waa Saint-Louis euh, loolu ab jaay doole la waaye Macky Sall nag yàgg na ba di ma jaay doole waaye toujours maa ngi faire fas amut fenn fu ma songee fu ma delloo gi naaw amut te noonu laa koy continuer voilà ndax audité dama ñetti at ñetti at may campagne Benno Bokk Yaakaar ñu may audité ma ne leen jox leen leen dossier ñu wër a wër a wër gis ne jëluma dërëmu waa Sénégal ànd naag mois

voilà élection yi bu continuer ni mu commencer dara lu ci lèr. ay junniy junniy junniy sénégalais yor sen carte ñu ne la gisuñu seen i parents ñun déjà suñu délo suñu parents yi nga xamné né nañu gisuñu leen mais ñu jàll parrainage 10000 dix ba ci le ministre de l'enseignement supérieur Mary Teuw quand même qui est un homme sérieux voilà dem déposer caution ñu jox ko fiche de parrainage ko ñu ne ko gisuñu ko ci fichier

nous avons les où Parce que vous ne terre. Voilà, nous bon, on a validé 38 000. Mais si nous avons 10 000, nous avons 5 000. C'est très simple. Donc, nous avons recours. C'est très <laughs> recours. Voilà, ça y est, les plus qui sont en train de faire. Mais nous avons Ousmane Songo, mais Moussongo aussi, peut-être que tu as sauvé. Mais Lolo aussi, d'où peut réussir D'où réussi. réussir Nous aussi, euh, du dara lu dul injustice wax ko waxati parce que tout simplement euh, voilà euh, doole lay jaay Sénégal loolu nak wa Sénégal aussi dañu bëgg and ak ñom pour fajj ko pour réew mi teguwaat ci yoon vraiment ñu amaat ben changement ba nga xamné Amadou Ba mi nga xamné ne day continuité mom ku dugg ci urne la ngay njëkk def moy seet ana bulletin nga def ko ci poubelle loolu nak ñun dinañ ci and campagne parce que suñu avenir u réew euh, du ñu toog rek ak lu mu metti metti lu mu ñu def ci walu injustice du tere ñu continuer moti am am motivation am engagement ànd ci responsable Mimi 2024 Yep, ànd ci aussi ak le collectif des 28. ñu aussi félicité wa diaspora ñoom it seen rafet vraiment ñu xamné ñun ñu ngi ci champ politique bi pour pour continuer di xex li nga xamné mom lañu wara xex taxawal suñu démocratie tay ñepp ñuy voilà ñu xalé yi wax kaañoo ñepp kenn mësta gis ñuy tirer un candidat au hasard.

combattant amul âge combattant amul âge amul sexe da ngay taxaw la nga wara bagn nga bagn ko voilà loolu it ma ci la jeunesse sénégalaise jeunesse sénégalaise dafa war a mobiliser les femmes sénégalaises dañu wara a mobiliser wu nga xamné ne Macky Sall moko bëgg imposer ñu bagn ko ba tëdd voilà ak lum lum ñu jaral ñun en tout cas lum ñu jaral dañu ko wara def dinañ ko def bu ko jaralé mom mu labaje ay élection ba candidat am jàll dinañu jaral lu ko raw lu ko raw pour que élection yi jaar yoon. maa ngi di gërëm di leen sant. merci beaucoup.